def naa ñetti consultation yi léegi dentiste bi rek moo ma dese waaw wax dëgg yàlla. def naa bu sein bi ak floti bi waaw léegi ci dentiste bi laa jëm. am ci mbégte kontante rek ndax bu doon fi mu ne nii hôpital la du ma ko man ndax aw ma mooy bu ma fa yóbbu fii nag fayu ma fi dërëm te liñ ma war a defal yëpp defal nañ ma ko dentiste bi rek moo ma dese. dox nañ ma samay ordonnance yeneen ordonnance garab yi amul ne nañ ma bi jël sama numéro téléphone ne ma après dinañ la woo jox am na solo parce que dañ koy bëgg a def. te balaa nga kaa def di nga dem ba hôpital rang fa te di nga fay te fii tamit boo ñëwee doo fi yàgg te doo fay dara ñu defaral la ko gratuitement. di sant di gërëm nag lool ak mbégte kontaan ndax amu woon mooy bu ma yóbbu hôpital te feebar naa. ñu ngi koy gërëm rek di ko sant initiative bi rafet na te baax na mu ngi jàppale waa sant ne Gibraltar La LISCA euh, est venue avec son staff technique et des médecins de, l'Institut du cancer. Euh, il y a cinq euh, médecins qui sont là, donc trois seniors, dont le professeur Mamoudou Diop, qui est le directeur de l'Institut du cancer, moi-même, et deux DS, des médecins qui sont en spécialisation, et quatre sages-femmes qui sont euh, déjà des sages-femmes qui sont professionnelles, euh, qui sont expérimentées dans le dépistage des cancers du col de l'utérus. Nous venons avec du matériel quand même pour aider la population de Médina. Le cancer du euh, col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut dépister tôt et guérir avec une guérison à 100%. Donc c'est le seul cancer guérissable à 100% qui n'a pas de récidive et qu'on peut prévenir grâce à ce dépistage que euh, nous sommes en train de faire. Mais n'empêche que pendant ce dépistage-là, les femmes seront examinées, on, on, leur fera une palpation des seins pour voir s'il n'y a pas de masse au niveau des seins.